Si l'insécurité frappe toute la commune de Difa, celle de la zone de la rive de Komadougou est doublement condamnée avec la fermeture des écoles faute d'enseignants. Face à cette situation, le maire de la ville de Difa, par arrêté communal, décide d'octroyer une somme forfaitaire de 20 000 francs CFA à tout enseignant qui accepte de servir dans la zone. Malambra Mamadou Hachi. Nous avons d'abord euh, décidé d'entreprendre des démarches avec les responsables de l'éducation pour d'abord ouvrir les écoles qui ont été fermées à cause de l'insécurité nous avons entamé encore d'autres démarches pour chercher des enseignants volontaires. C'est comme ça que nous avons eu des natifs de ces villages-là. Pour les encourager, nous, au niveau de la mairie, nous avons accepté de prendre sur le budget communal des indemnités de motivation de 20 000 francs pour chaque enseignant qui accepterait de partir dans ces écoles-là. Pour le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, section des DIFA Issouf Salissou, les actions entreprises par le maire de la ville sont nobles. Depuis longtemps, les enseignants du DIFA, à l'instar de certaines régions difficiles, demander qu'on les motive ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais ce n'est jamais venu. Voilà aujourd'hui un maire prend cette décision-là. Vraiment, il a le remerciement de tous les enseignants. Si personne d'autre ne vient en aide à Difa, le maire de Difa l'a commencé. Nous espérons que les autres aussi vont le suivre. Partir à l'école est un droit pour tout enfant nigérien, une chose bien notée par le maire de la ville de Difa avec sa décision louable.